Bonjour, nous voulons faire passer une information. Le guide spirituel de Cheikh Borom a fait confectionner des cartes de soutien. Euh, chaque année, euh, à Touba, le chef euh, il nettoie la ville avec beaucoup de chefs au, au Sénégal. C'est un travail d'ensemble. Mais lui, Maintenant, il a fait confusion des cartes de soutien, comme quoi que à chaque fois, euh, le nettoyage de Touba arrivera. Parce que lui, personnellement, il le fait en général deux fois, avant le magal de Touba et des fois euh, après même. Donc, comme ça, il y aura un fond. À chaque fois, ce travail arrivera. Il y aura de quoi enchaîner et puis euh, faire de telle sorte que tous les moyens nécessaires seront sur place. Mais si on voit, on y va plus loin, on saura que c'est une façon de d'essayer d'impliquer tout le monde. Parce que quand ce travail arrive, les gens qui sont sur place à tout bas, sous le soleil, avec la poussière, avec la sueur, tout ça, tout le monde ne peut pas être sur place. Donc les gens qui ne sont pas sur place, ce sera aussi un moyen pour eux que leur euh, leur participation est dedans. Et même les gens qui, peuvent faire les deux, financièrement euh, donner sa participation et puis physiquement être présent. Donc c'est des cartes euh, d'une petite valeur. Donc donc c'est pas la somme qui est importante, c'est le fait de le faire un travail ensemble, que chacun y participe. Donc en me contactant sur mon Gmail, aladi

arobase gmail point com wala Facebook Alaaji Baye Fall wala Cheikh Alaaji Baye Fall boo si jaaree bi mu mën a euh, ñu dina mën a ko bu ko defee rek liggéey bi sëñ teg suñu loxo ak sëñ Mbàkke Fall Ngunda nga xam ne ñoom ñaar ñoo ko tegandoo suñu loxo bu ko defee ñu am si ndam na ñu si woo ñëpp rek waaw man ay carte barkeelu euh, Mourad sëñ bi tuddee muraad nag muy lu kawe ndaxte nee neen bi moo jëm si yàlla soxla yàlla ci yàlla muraad bi mooy ki nga xam yàlla moo bëgg kooku waaw yàlla bëgg gisanteex kooku kon nag sëñ bi moom nga xam ne si baaxaay moom doolee baaxal yi di génn xel kom tuddee ko kàttu barkeelu muraad xam naa nag moom si ek baaxaayam rek am na yéen dimbale ñëpp rek waaw kàttu barkeelu na si ñëpp am rek incha allah fépp si àdduna bi jox man moo xam Sénégal bu ñu Sénégal téeméer Ngunda benn njëg boo xam ne xayma neen ko yaakaar naa bitim réew tamit boobu kuñ ko si jox kuñ ko si joxe rek dina dina kii daal dina gis ni que maanaam jaadu na daal waaw kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant yàlla nañ si am ndam waaw allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim la ilaha illallah